no way. No. We're not repressed. We're not women. Usman, Usman. Take it, take it, take it. Thank you.

am na portable buy sonné am na portable buy sonné Je ne dis pas ça pour me plaindre. Mais entier de notre programme, du programme du candidat Bassirou Diomaye Faye, euh, la réforme de l'État et de l'administration, pour que les injustices cessent et pour que plus jamais l'État ne soit détourné de sa véritable mission celle de servir le peuple et non pas celle de servir des causes politiques. Ceci, dit, j'ai dit que c'est une journée qui démarre avec ce constat triste, mais qui va se terminer dans la joie, parce que je suis convaincu qu'à l'issue de cette journée, Inch'Allah, notre candidat, Bassirou Diomaye sera largement élu, dès le premier tour. Et cela est, est d'autant plus évident à nos yeux que nous observons une forte affluence des Sénégalais, de la diaspora et de l'intérêt du pays. Je crois qu'on n'a jamais vu une telle affluence dès les premières heures du scrutin. Et nous savons que cette affluence-là est due particulièrement à notre candidature. Et cette affluence est particulièrement jeune aujourd'hui. Ils avaient chantonné partout que ces jeunes ne voteraient pas. Et nous rendons compte qu'ils sont massivement venus dans les bureaux de vote dès 6 h du matin, 7 h du matin. Cette affluence est également générale, les femmes, les personnes âgées. Et nous sommes convaincus qu'à l'issue de cette journée, la victoire sera éclatante. Et que ce soir, Inch'Allah, à 21h, nous aurons les premières tendances qui montreront que le candidat Bassirou Diomaye Faye passe à plus de 50%, à largement plus de 50%, euh, du suffrage. Vous avez certainement eu des échos au niveau national. Euh, qu'est-ce qu'on peut retenir Pour le moment, on ne nous a pas encore signalé d'incident. En tout cas, pas d'incident majeur. Nous souhaitons que cette journée se déroule de cette manière-là jusqu'à la fin, qu'il n'y ait pas d'incident, que les Sénégalais sortent voter massivement. Ils vont le faire parce qu'ils comprennent les enjeux. Contrairement à ce que les politiciens de l'autre bord croient, les Sénégalais comprennent les enjeux. Et L'enjeu d'aujourd'hui, c'est de montrer que le mensonge, la roublardise, l'argent sale ne l'emporteront jamais sur la vertu et la vérité. Et les Sénégalais démontreront que les, vertus dont on s'est paré depuis longtemps, en Wolof on parla de Djom, de Foule, de Faïda, de Coléré, que tous ces, toutes ces vertus-là sont encore présentes au Sénégal et que les Sénégalais sauront faire la part des choses. Et que aucun lobby étranger également ne choisira un président de la République. Et c'est pourquoi nous allons lancer encore une fois cet appel-là pour demander aux Sénégalais de continuer à sortir massivement. Nous souhaitons que le taux de participation de cette année soit un taux de participation record depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qu'on puisse dépasser les 70 ou 75 de taux de participation. Ce sera indicatif pour la légitimité du président que nous allons choisir, c'est-à-dire le président Bassirou Diomaye Nous lançons cet appel-là, mais nous lançons également un appel à la vigilance, particulièrement des jeunes qui continuent d'organiser les rondes et les brigades de surveillance et de sécurisation des élections. On a vu ce qui s'est passé hier à Ziguinchor. On a vu en tout cas une vidéo circuler euh, qui faisait état de Bissau-Guinéens qui aurait été transporté par des acteurs politiques locaux pour venir voter euh, au, Sénégal. Nous avons toujours dit aux jeunes que c'est à vous de prendre votre destin en main et de sécuriser ces élections en organisant des brigades de surveillance et en refusant qu'un étranger, et par étranger je ne parle pas des gens qui sont établis au Sénégal depuis longtemps et qui ont leur nationalité en bonne uniforme, mais je dis des gens qui ne sont pas d'ici, qui sont transportés par des cars, qui traversent les frontières gambiennes, sénégalaises, euh, euh, euh, bissau-guinéenne ou mauritanienne pour venir voter au Sénégal. Il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités pour l'empêcher par tout moins possible. Parce que c'est une élection du Sénégal, par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Et je lancerai également un dernier appel au calme, à la sérénité. En tout cas, nous n'avons aucun intérêt à ce que ces élections soient perturbées parce que nous allons les gagner, peut-être à Dieu. Je dois lancer un appel pour, éviter de répondre aux provocations. Nous savons que dans certaines zones, particulièrement dans le Baol, dans le département de Mbaké, le plan c'est de créer des provocations pour qu'il y ait des rixes, pour qu'il y ait euh, des affrontements et que les autorités en tirent des conséquences pour euh, demander la suspension du vote. Nous demandons à tout le monde de garder son calme, sa sérénité et nous lançons un dernier appel au ministre de l'Intérieur pour qu'ils sécurisent les Sénégalais qui doivent venir voter. Ça ne doit pas être l'affaire des jeunes, en principe. Mais si l'État est défaillant, les citoyens prendront leurs responsabilités pour sécuriser leur vote. nous lançons un appel au ministre de l'Intérieur que toutes les dispositions soient prises pour éviter que ça et là, des nervis soient recrutés pour venir perturber le déroulement du vote. voilà ce que je voulais dire. alors awolof euh, euh, bi nga voté mun nañu lan lañ mun a jàpp euh, ci situation bi ak lépp loo xamante ne ci wàllu affaire. waaw njëkk a wax ni tey wote nañu. Hmm. mën na bett Sénégalais yu bëri parce que ay weeri weer amul lu ñu deful pour tere ma mun a nekk candidat wala mu mun a wote. commencé na fii si coor bi ñu ñëwee fii gagné suñu procès mu dellu Ndakaaru ñu gagné waat suñu procès. waaye malgré tout administration bañ na ci ndigalu euh, ñi yor nguur gi ne du ma jox samay fiche de parrainage du ma pay ma nekk candidat tey dara changé wul ci diggante boobu mais ñoom ñi ma génne woon ci liste bi ñoo jékki-jékki delluwaat ma ci liste bi li nag su ma ko waxee waxuma ko pour joytu ndax ku ñu xam-xam ni ñun duñu joytu li waroon am dafa li wax am dafa waroon am loolu la yàlla dogal te bu ñu bu ñu bu ñu teree benn Ousmane Sonko nekk candidat li ñu xamul woon mooy Ousmane Sonko du benn ay junni junni Ousmane Sonko la te Bassirou Diomaye Faye benn la ci Ousmane Sonko yooyu tey Ousmane Sonko nekk na candidat euh, te dinañu gagné élection bu soobee yàlla. waxuma ko pour jooytu waaye lenn la ci suñu programme lu war a tax rek Sénégalais yi woote massivement mooy injustice bi am ci réew mi jaay doole jël euh, doole nguur. war koo jëfandikoo pour jàppale Sénégalais yi seen dund gën a baax mais nga jël ko yëpp nag muy euh, alkaati yi muy justice bi muy administration bi lépp nga jël ko jëmale ko ci benn nit rek parce que nee nga kii il faut ma faaga ko wala il faut mu ma tere koo nekk candidat loolu waratul am Sénégal moo tax bien que pour loolu Sénégal dañu war a génn ma ñu defaraat suñu réew jëlee fi lépp loo xam ne day andi noonoo ak en jubalewaat Sénégalais yi nangu adversité

muy fii muy diaspora bi kon am nañu yaakaar ni Sénégalais yi xam nañu enjeu bi te dinañ génn massivement voté te élection bi du am deuxième tour gëm naa ni tey dinañ ko gagné au premier tour incha allah euh, gëm naa ni yàlla bëgg na Sénégal tam Sénégalais yi dinañ wane ni dem euh, dajale alal goo xam ne lewul daganul wala nga dem ay waa bitim réew ngémb la wala nga yaakaar ni ci caaxaan ak ci naxaate mën nga jël réew dinañ wane ni loolu Sénégal sénégalais li ñu doon suñu doon ko ñu ci ci jom ci ci ngor ci sénégalais ko en votant massivement pour le candidat Bassirou Diomaye Faye kon di lancer aussi un appel ministre de l'intérieur ont jot bu rafet ci sénégalais ko ont nañ xam mom tam xam na gens lu mu doon def rek na ko yokk parce que am na ñoo xam ne xam nañu ñoom dañuy perte élection seen pexe yëpp mooy nu ñuy def ba perturber ko loolu tam ñu ciy dellu lancé appel ministre intérieur mu renforcer kaaraange électeurs yi Sénégal yëpp mën a génn voté ci seen teyu bakkan ñibbi seen kër tranquillement ngoon ñi dépouillé ñu xam tendance yi teel a leer ñu xam ni victoire bi fii la féete di continuer lancer aussi un appel à toutes les populations mais particulièrement ndaw ñi parce que ndaw ñi xam nañ li xew waaye ñoom ñoo mën a gën a sécuriser vote bi lañ leen doon wax rek bu ñu nangu ñuy jëlee ay nit feneen ñoo xam ne bokkuñu ci réew mi gis nañ liñ fi xew démb Ziguinchor te ñu ngi koy siñaale feneen ak feneen booru Mauritanie ak peut-être frontière gambienne bi dégg nañ li xew démb euh, fële euh, Nord Foñi ay bus yu doon jógee Gambie di ñëw loolu it nañ ci na ci jeunes yi jël seen faru seen matuwaay ñoom ñoo mën a sécuriser vote bi seen avenir moom la ñuy joué tey nañu xool fu nekk nit ñi xamante nañu fii ma nekk nii fii laa yaroo ñun xamante nañu bu ñu bëggee importer ay nit yu jógee beneen réew ñëw jeunes yi nañ jël seen responsabilité ñoom du ñu voté ku fi ñëwit ak ay mallette d'argent am taxaw ci buntu bureau de vote yi naan jënd ay ay nit na jeunes yi moom parce que loolu loi moo ko njëkk a interdire jàpp naa loolu yëpp bu ñu ko dajalee tey ci ngoon bu soobee yàlla Sénégal dina am un président di président président bu compétent président bu xarañ waye dina am une nouvelle équipe parce que ñu nit rek def ko ab yonent waye dañu am projet projet bobu mo tax bu ñu gàllankooree Massamba ma dem ba mun ko continuer té loolu lañu yéné Sénégal té xam naa ne Sénégal yéene nañ ko sen bopp kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant merci